le forum du studio le du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute euh, du forum du studio Kalangou au micro de Mohamed Maman de la radio Garkwa Maradi, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 45 radios partenaires et 5 télévisions, dont 4 basées à Niamey et une à À Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garquois 107 MHz et la radio Saronia sur les 102.1 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème les problèmes de vente et d'achat des parcelles dans la ville de Maradi. Au Niger, la gestion du foncier se pose avec acuité dans la ville de Maradi. Il n'est pas rare de trouver devant les juridictions des vendeurs et des acheteurs de parcelles pour des raisons d'arnaque et autres formes d'abus. Aujourd'hui à Maradi, bon nombre de parcelles vendues par les collectivités territoriales font l'objet de litiges. Ainsi, on peut trouver plusieurs actes de cession attribués à une seule personne ou bien à plusieurs personnes, une source de litige évidente parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui explique cet état de fait Comment prévenir ou réparer les préjudices causés Pour en parler, nous sommes dans la cour de la radio Garquois avec nos invités. Lawali, le responsable du service domanial de la ville de Maradi, le service qui délivre les actes de cession, Abdou Daneto, acteur de la société civile ici à Maradi, Abdoulaye Chebou, le conservateur régional du foncier et de l'hypothèque qui délivre les titres fonciers et gère aussi les litiges fonciers, et enfin Mohamed Salissou qui témoigne d'un litige de parcelle avec une autre personne. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous au forum du studio Kalangou. Nous allons débuter ce forum donc avec euh, monsieur Lawali, le responsable du service de domanial de la ville de Maradi, euh, qui devrait nous présenter brièvement les missions et les champs d'action de son service. Donc c'est Mohamed Loli Malam, chef service affaires domaniales de la ville de Maradi. Le service des affaires domaniales s'occupe de la gestion du patrimoine foncier de la ville. Donc euh, ce qu'on appelle patrimoine foncier de la ville, donc c'est les parcelles après lotissement, donc après dédommagement. Donc c'est les parcelles qui reviennent à la ville, c'est ça qu'on gère. Et maintenant, après le, les parcelles, il y a les transferts et les régularisations. Donc c'est ça en gros le travail des de services des affaires domaniales. Nous allons passer la parole à Abdoulaye Chebou. Vous êtes donc le conservateur régional euh, du domaine foncier ici à Maradi. Pouvez-vous nous dire à quoi se résume le travail euh, de votre service euh, dont vous avez la charge. Merci de cette invitation. Donc, le service de la conservation foncière, c'est un service où je suis un fonctionnaire de l'État à qui on a confié la tâche de rendre définitif la propriété d'un immeuble. Et je suis le seul à le faire un conservateur, cest à qui est responsable de sa conservation. il y en a, à l'époque, c'était une seule, au niveau de Niamey, qui couvre tout le Niger. normalement, depuis 1932, on devait les, créer au niveau de chaque euh, ressort de tribunal de grande instance ou de tribunaux euh, à, grande, euh, compétence étendue. Donc, il a fallu 2018 pour que les autorités actuelles de déconcentrent cette conservation. Et on l'a créé à Maradi à Zender qui couvre Difa et à Tawa qui couvre Grèce. Notre activité principale, effectivement, c'est de délivrer des titres fonciers, aussi de faire des instructions en ce qui concerne les hypothèques, n'est-ce pas, et autres euh, actes, n'est-ce pas, relatifs aux fonciers. Donc, il y a aussi des litiges, tout ce qui concerne un euh, rapport avec euh, les titres fonciers. Donc, nous sommes habilités aussi à intervenir si on nous le demande. Nos principaux partenaires, c'est le, tribunal de grande instance de Maradi, les notaires, les huissiers et la population. Voilà, maintenant, et les services des où on verse nos, recettes. Merci Abdoulaye pour cette brève euh, présentation de votre service. Nous passons à M. Abdou acteur de la société civile. Selon vous, quelles sont les principales causes des litiges fonciers ici à Maradi par rapport au problème des parcelles à Maradi, vraiment j'en connais beaucoup et c'est un gros problème pour la population de Maradi. Je dis bien pour la population de Maradi. Je sais que euh, un peu partout au Niger, on rencontre des problèmes de parcelles, mais à Maradi, c'est pire. Parce que c'est quelque chose comme si c'était fait exprès. Je suis sûr et certain, à faire de Manel Maradi, si on lui demande la situation des parcelles à Maradi, il ne peut pas la donner. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est à la, à la mairie qu'il est à ce poste. Aujourd'hui, on lui demande la situation exacte des parcelles de Maradi. Il ne peut pas euh, donner euh, la situation. Pourquoi cela Vous allez comprendre que quelque part, il y a, une mauvaise volonté, quelque part, il y a une complicité, quelque part, il y a ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qui se passe Il y a 7 ou 8 ans, Maradi n'a jamais eu autant de parcelles qu'il y a ces 8, ces 8 dernières années et ils sont allés à la limite. Je dis bien, ils sont allés à la limite euh, des temps, des, des terrains qu'ils peuvent lotir. Ils avaient assez de parcelles. Ils ont liquidé toutes ces parcelles, pas au profit de la ville, mais au profit de leur poche. Je dis bien de leur poche. Et aujourd'hui, nous n'avons pas je dis bien, aujourd'hui, nous n'avons pas un seul espace. Comme ce, que disent les gens, Hilimbanza, comme on dit. Alors que non, bah, ce n'est pas Hilimbanza. C'est des parcelles, c'est des espaces réservés. Vous voulez parler euh, des espaces publics Oui, des espaces réservés pour que à l'avenir, un projet pouvait venir, l'État pouvait avoir une idée, on peut construire des écoles, on peut c'est-à-dire des espaces réservés. À l'heure actuelle, on ne peut pas trouver à Maradi parce que elles ont tous les espaces ont été vendus aussi. Et pire encore, ils ont vendu les espaces, ils sont même rentrés à vendre des ruelles. Parce que quand j'ai eu à dénoncer la vente des ruelles, ils m'ont même enfermé et j'ai prouvé que c'est vrai, ils ont vendu des, des, des ruelles. Et là, vous voyez ce que ça a fait pourquoi ne pas reconnaître qu'on est en faute pour pouvoir corriger Je dis bien, d'ici 20 ans, Maradi ne va pas finir avec ce problème. Parce qu'il y a des gens de Maradi qui ont, acheté, qui ont acheté des parcelles, des fonctionnaires, qui vivent ailleurs. Ils ont acheté des parcelles, ils ont l'acte avec eux. Malheureusement, c'est vendu. une autre personne Oui, la mairie, elle fait des doubles attributions, exprès. Je dis bien exprès parce que je ne peux pas comprendre une parcelle qui est vendue à un monsieur avec acte de cession. Et la mairie, elle reprend le même acte pour le vendre. Quand vous allez demander à la population de Maradi, qui vivent à Maradi, vous allez trouver beaucoup de problèmes pareils. Et ceux qui ne sont pas là, ils seront surpris à leur retour, leur terrain. Ils vont trouver que des gens ont construit sur leur sur leur terrain parce que la mairie a fait des actes parallèle pour les liquider. Merci pour euh, ces éclaircissements. Abdel Chebou, Deneto a évoqué euh, en tout cas pas mal de problèmes euh, qu'on rencontre dans la gestion du foncier. Il a parlé de la vente des espaces publics, il a parlé de, l'attribution de plusieurs actes de cession pour une parcelle. quelle est votre réaction par rapport donc à ce que Abdel Deneto vient d'avancer Merci beaucoup l'a relater en tant que... Acteur de la société civile. Acteur de la société civile, citoyen de maladie. Moi, je vais aborder euh, la question sur euh, un autre euh, angle. J'étais responsable de l'ensemble de lotissement du Niger à l'époque quand j'étais à l'ex-direction de la topographie. À l'époque, le était exécuté par l'État. Et aussi, j'ai occupé beaucoup de, de postes dans le domaine du foncier et aussi en matière d'impôts, aussi resté 14 ans comme directeur général des impôts. Donc tous euh, ces problèmes-là, je les connais et actuellement je, <laughs> le les vis. parce que le problème d'attribution des numéros de parcelles, ou bien plusieurs acquisitions pour numéro de parcelle, euh, ça remonte de longtemps. Hein. Parce que euh, avant 1996, toutes les mairies avaient l'espace qu'on appelle un registre donc, euh, de vente de parcelles. Donc après le lotissement, il y a un risque ouvert pour tous les lotissements. Donc îlot par îlot et parcelle par parcelle. Donc on recopie sur ces registres-là l'ensemble de ces parcelles-là, y compris les, ce qu'on appelle domaine public euh, ou domaine privé, tout ça là, c'est inscrit dans un registre. Maintenant, en face du registre, il y a les acquéreurs le premiers acquéreurs de, de cette parcelle, dans ce îlot-là. Et aussi, même si c'est vendu, le second acquéreur de cette parcelle euh, sur ce îlot, ainsi de suite. Donc, de telle sorte que on ne peut pas faire de doublons. Donc, quand j'étais à effectivement, c'est genre de problème de maladie, on l'a vécu, où on a cette acquisition sur la même parcelle. Et euh, vous avez suivi tout récemment avec euh, le problème de Niamey, où il y a même des doublons de titres fonciers alors que il faut y avoir du blanc en matière de foncier. Et ce problème-là a continué, donc a touché toutes les régions jusqu'à Maradi, où le registre là a disparu. Donc le fait de faire disparaître le registre, ça n'avantage pas du tout eh, le maire en exercice. Pourquoi Parce que quand vous attribuez eh, à la même parcelle un autre accession, après l'avoir vendu à un autre, c'est un usage de faux. Donc on peut vous poursuivre et vous emprisonner. Donc eux-mêmes sont conscients que euh, faire du faux, ça, conduit, euh, n'est-ce pas, devant les tribunaux. Parce que dès que vous, êtes conscient que vous avez euh, vendu la parcelle, un autre vient, vous lui vendez la même parcelle. Donc si vous le savez, c'est vraiment grave. Mais le problème, ils n'ont pas un, référentiel, ils n'ont pas de registre. Et comme c'est des milliers et des milliers de parcelles, donc à chaque fois, si quelqu'un vient en acheter, n'ont pas de, de, registre pour voir si cette parcelle a été vendue. Ça, c'est l'un des euh, premiers problèmes de la mairie où la mairie devrait corriger. le second problème en matière de parcelles, c'est les mauvaises identifications. C'est-à-dire que vous allez prendre quelqu'un, elle va vous allez identifier votre euh, terrain, mais elle peut vous, vous, vous amener sur le terrain détruit. Donc, et vous allez construire sur le terrain d'autrui, sachant que euh, que c'est pour euh, votre alors pas pour vous. C'est peut-être 20 ans après, quand vous allez faire un titre foncier, ou bien vous avez des transactions à faire, vous, venez dans les services spécialisés, on va vous amener sur, la vraie parcelle. Et là, il n'y a rien. C'est un autre qui est là-dessus. Donc, votre accession n'est pas là où il est. Voilà, vous, avez occupé le terrain de quelqu'un, lui aussi, il a occupé votre terrain. Donc, tous les lots là, les accessions ne sont pas dans la main de leur propriétaire ou bien les, propriétaires ne sont pas assis dans, dans leur, dans parcelle. Le troisième euh, problème euh, qu'on rencontre, euh, c'est au niveau des vendeurs. Par exemple, si j'ai une parcelle de 600 mètres carrés, j'ai la morcelle en ce qu'on appelle car, car, car, car, c'est le, le, système Amaradi, par exemple. Il y 200, 200. Car, car, ceci, ceci, des petits trucs. Mais on ne vous remet jamais l'acte de session original. On fait des photocopies, 4 photocopies ou 5 c'est avec ces photocopies qu'on va vous vendre votre propriété. Une photocopie ne donne pas droit à une propriété. Donc tous ceux qui sont dans, ma parcelle-là, de 600 ou 400 mètres carrés, moi j'ai mon accession déposée à la maison. Vous, vous avez des photocopies. Donc quand je décède, mes enfants vont voir dans, mon archive l'accession de, telle parcelle. Ils vont, venir voir que tout est occupé et ils vont en justice. Le juge, lui, cherche, la pièce. Euh, qui détient la pièce Si vous ne détenez pas la pièce, on, on vous chasse. Hein c'est pourquoi euh, le problème de mutation se pose beaucoup à Maradi. J'en ai beaucoup parlé à l'époque, vous vous souvenez. Donc quand vous achetez euh, une parcelle, il faut automatiquement aller à la mairie faire la mutation. Enlever le nom de l'autre pour que ça soit pour vous. Parce que dès que vous avez une nouvelle accession, l'autre accession est, mise en archive et supprimée. Maintenant, si vous allez faire les titres fonciers aussi, vous êtes à l'aise elle a évoqué aussi les problèmes de morcellement de, des, espaces, publics qui sont réservés pour la construction des écoles, euh, des espaces euh, de, loisirs. Là, c'est tout le monde qui voit ça. Mais c'est pas Maradi, c'est l'ensemble du Niger. <coughs> le problème, c'est quoi Je l'ai toujours rappelé. Quand on fait un lotissement, un, projet de lotissement, on, conçoit tous les parcelles et les domaines. Maintenant, on prend un arrêté, dedans on dit qu'il y a 15% de domaine privé, 10% de domaine public. Donc les domaines publics, c'est les rues et puis les espaces. Les domaines privés aussi, c'est un espace, mais on peut le vendre. Le domaine public, on ne fait jamais le vendre et il ne vieillit pas. C'est imprescriptible et inaliénable. Donc, euh, le problème, c'est quoi au, niveau du ministère de l'urbanisme et, de, et des mairies, il y a un vide juridique. Quand on fait un lotissement, on réserve des choses à l'État ou aux communes. Donc, ça, on appelle les réserves foncières ou bien les, terrains pour faire des commissariats, des écoles, des, santé. Mais il n'y a pas la pièce. On ne la compte pas par une pièce. Parce que le, le lotissement, c'est une loi. Voilà. Si c'est une loi, son décret d'application définit aussi ce qu'on doit faire. Il y a un autre arrêté maintenant qu'on doit prendre aussi pour définir ce lotissement. Dans cet arrêté-là, tous ces domaines réservés-là, on doit les lister. Donc tel îlot, tel îlot, tel îlot, tel îlot, sont de domaine public de l'État, tel îlot, tel îlot, sont de domaine privé de l'État. Donc soit c'est le ministère de, de, l'urbanisme qui fait, ou bien au niveau de la mairie, le, comité local euh, d'urbanisme, ça c'est, ils font l'association, le conseil euh, municipal. Pardon, ou le maire prend un arrêté, donc pour lister, pour garder en mémoire que ça là, ce sont des, domaines réservés. Mais vous, n'allez jamais trouver ce genre de, pièces. C'est parce que quand l'inspection d'État eh, fait ce contrôle au niveau des mairies, elle est confrontée à ce problème. Tout est morcelé. Mais avec quoi on peut arrêter un maire S'il y a une pièce, on va dire que ça c'est un domaine public, on ne peut pas le vendre. Ça c'est un domaine privé, on ne peut pas le vendre. Mais lui, le, maire va, dire que tout est domaine privé. Parce qu'il n'a pas de. Voilà, c'est même ça qui les encourage à morceler. Donc c'est pourquoi le maire, quand il morcelle, tout, la population voit que le maire a tout morcelé. En réalité, lui, le maire, a trouvé l'occasion, parce qu'il y a un ville qui est là, et le morcelle, on ne peut rien lui faire. Parce qu'il y a domaine public et domaine privé. Le domaine privé, on fait les deux. Ils vont prendre leur domaine privé qui leur appartient et aussi profiter du domaine euh, public, mais parce qu'il n'y a pas de pièces. à tout moment, il peut se défendre. Voilà. Donc, euh, il y en a tellement de problèmes en matière de domaine public, que c'est énorme. Voilà, merci Abdoulaye pour toutes ces précisions. Êtes-vous d'avis sur les raisons avancées par Abdou Daneto Par rapport aux doubles affectations, euh, ça c'est un truc qui s'est produit euh, à partir du lancement de 2012, là où il y a eu l'histoire de Calais Calais, ou comment est-ce qu'on appelle Calais ou Kozo C'est là où, bon, il y a eu plusieurs euh, gens qui ont intervenu donc les chefs de quartier et certains conseillers qui ont intervenu dans cette histoire-là. Euh, pour rappeler, euh, le COSOP, COSOP, c'est quand le maire, euh, c'était au temps de Kassou Mokhtar, a décidé de faire des tirages au sort pour l'octroi des, des, parcelles. Effectivement, c'est en ce temps-là, vraiment, qu'il y a eu presque, si je peux appeler, 90 ou 95% de ces doubles affectations. Sinon, euh, vraiment, quand vous prenez le lotissement des arrières, il n'y a pas eu ce, problème. Euh, vraiment, on ne l'a pas connu. Mais euh, ça aussi, bon, vous savez, dans, dans, dans, une histoire de gestion du foncier, quand il y a plusieurs intervenants là-dedans, généralement, il y a toujours des gens. Bon, nous, on ne peut pas savoir que les gens peuvent tricher. Mais parce qu'on ne connaît pas la moralité des gens à qui on a confié cette gestion-là qui sont ces personnes là qui, vous qui ont la gestion non. Oui, euh, on a confié la gestion de ces, trucs, euh, de ces tirages au sort-là euh, aux, différents chefs de quartier. Et à certains aussi conseillers qui ont intervenu là-dedans. Donc nous, on ne peut pas penser que ces gens-là peuvent faire autre chose. Hein. Donc quand vous prenez généralement ces, ces 12 laffectation là vous allez voir 99% c'est dans ces histoires-là. Vous voyez donc, euh, c'est un truc qui est arrivé, mais quand on a constaté, donc, euh, on a essayé d'atténuer euh, ce problème-là. Mais vraiment, au fil du temps, comme on connaît le problème, vraiment, je, pense qu'on a eu à régler au moins 40% de ces problèmes-là. Comment vous arrivez à gérer, à décanter ce, problème Bon, vous savez, après, donc, quand on fait le constat, il y a des parcelles dont les acquéreurs ne sont pas venus. Donc on essaie de donner à ces gens-là qui ont déjà versé leur argent pour essayer, au lieu de revendre, au lieu, au lieu de revendre, parce qu'il y a le problème qui est là pendant, vaut mieux régler le problème que, au, lieu de revendre encore euh, la parcelle. Vous voyez Donc, c'est des parcelles dont les acquéreurs ne sont pas venus faire des versements. Donc, maintenant, au lieu de donner ça à un autre non, non, on préfère régler les problèmes. C'est comme ça qu'on a procédé, pour diminuer au moins euh, à 40-45% de ces problèmes-là. Oh. Puisque actuellement, euh, toutes ces doubles affectations, il n'y a pas, pas plus d'une centaine de parcelles. Hein. Quand on cumule l'ensemble, ça ne dépasse pas une centaine de parcelles. Et vraiment, par rapport à ça, on est en train de s'atteler, puisque normalement, on devrait le régler avec le lotissement Zaria, mais il y a certains problèmes au niveau de la ville qui se sont posés avec l'histoire euh, du marché là, qui a fait que la mairie avait besoin d'argent. Elle a dit de sursoir à cela pour qu'elle ait de l'argent pour participer à, comment est-ce qu'on appelle au capital du marché. Donc c'est ce qui a fait que vraiment on n'a pas pu régler cela. Mais actuellement, on est en train de s'atteler pour régler ce problème-là définitivement avant l'arrivée des nouvelles autorités. Et par rapport à la gestion des, des places publiques, vous savez, euh, les gens font une confusion dans l'histoire des places publiques. une place publique, même la rue, c'est une place publique. La voie, c'est une place publique. Mais les gens, ce que les gens doivent comprendre, il y a les équipements qui sont des trucs déjà affectés des espaces déjà affectés. C'est ce qu'on appelle équipement. Hein. Et il y a des réserves foncières. Vous voyez Donc tout cela, normalement, euh, quand la mairie veut y toucher, elle passe par une commission locale. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Vous voyez Donc, mais les gens, eux, dès qu'ils voient un espace, c'est un, équipement. Alors qu'il y a une différence entre les équipements et les réserves foncières généralement, euh, il est difficile de toucher un équipement. Même les réserves foncières, il faut que ça passe à une commission, euh, une commission locale. Mais aujourd'hui, aujourd'hui qu'est-ce qui euh, explique tous ces problèmes, malgré qu'il y a des services compétents pour, gérer Selon moi, je dis bien selon moi, c'est quelque chose qui est, dont on peut corriger sur place. Comment pour faire la vente, il faut un notaire. On peut instruire les notaires de ne plus accepter ce genre de vente. Ou le gars, il vend la parcelle entière, ou si c'est, euh, il va faire parcellaire comme on dit, il vient avec la présence d'agents de, affaires domaniales. Il fait en sa présence. Donc là, c'est immédiatement qu'il va faire les mutations. Tant que ce n'est pas ça, il y aura toujours des problèmes. S'il faut faire la copie, s'il faut faire la copie, vendre, là, il y aura toujours des problèmes. Mais quand, il y a, quand c'est instruit, que même pour le faire, il faut la présence d'un agent d'affaires domanial, le notaire et le vendeur. Et en même temps, le gars qui achète, il faut qu'il paye la mutation. Là, ça peut aller. Mais quand on laisse toujours pour dire après je vais le faire, ça, ça profite à d'autres pour tricher. Merci Abdelaneto, Neto. Chebou, euh, c'est la même question que je vais vous poser. Bon, euh, vous savez, c'est le foncier, maintenant c'est devenu le centre d'intérêt de être planétaire. Dans tous les pays, il n'y a rien qui marche que le foncier. Donc euh, c'est la course aux fonciers. Ça a existé depuis le début de l'humanité, c'est les foncier qui, qui, commande tout. Donc mais maintenant, les choses sont carrément dirigées vers les fonciers. Donc euh, le seul problème, c'est un problème de sensibilisation. Donc euh, c'est la sensibilisation. il faudrait sensibiliser la, population par rapport à, n'est-ce qui concerne leur droit de propriété. Quand vous avez acheté, il faudrait aller, n'est-ce pas, faire muter l'acte à votre nom. Maintenant, si c'est un morcellement d'une parcelle, il faudrait aller à la mairie, faire un acte de session pour votre parcelle morcelée. Donc, ça vous éviterait les problèmes. Et aussi, il faudrait penser à aller enregistrer. Parce que la loi, de, euh, la loi a changé. cest que l'acte de cession, comme on le donne, si ce n'est pas enregistré, ce n'est pas valable. Donc c'est après enregistrement qu'il est valable. Donc ça veut dire que quand vous partez devant les tribunaux, avec un accession enregistré, vous pouvez avoir tous les ennuis. Donc il faudrait aussi les, euh, les enregistrer. Aussi, quand vous devrez acheter une parcelle, il faudrait encore avoir tous les renseignements possibles sur la parcelle. Il ne faut pas acheter pour acheter. Donc euh, vous pouvez acheter des problèmes. Donc euh, vraiment c'est un conseil que les gens doivent quand même s'assurer que ceux qui ont acheté les bons et qu'ils le remettent à, leur nom. Et ensuite, euh, que la mairie ou bien l'État ou bien les organisations, la société civile aient le moyen de sensibiliser en permanence, la population en matière de foncier. C'est extrêmement important. Euh, expliquez-nous comment est-il possible que ces problèmes liés aux ventes et d'achat de parcelles persistent malgré l'existence euh, des services compétents comme les vôtres mais est-ce que ce problème-là persiste maintenant Moi, je pense pas qu'il y ait ce problème maintenant. Il n'y a pas ce problème pour l'instant. Seulement, c'est les anciens dossiers qui sont là pendant qu'on cherche à régler. Mais sinon, actuellement, on n'a pas de problème de, double affectation. On n'a pas ce problème actuellement. Mais seulement, c'est les anciens dossiers. Et, je, trouve que c'est normal que les gens, toi, tu, tu verses ton argent pendant des années et jusqu'à présent, tu n'as rien. Et c'est pourquoi, la dernière fois, on a eu à faire un communiqué pour tout celui qui a un problème foncier de se faire enregistrer, pour qu'on puisse prendre ça en charge, pour qu'on n'oublie personne. On a eu à faire des communiqués au moins à trois reprises. Avec euh, Ayub, ça s'est passé. Et avec euh, et la délégation spéciale, ça s'est passé. Avec le président actuel aussi, ça s'est passé. Donc on insiste, on a vraiment insisté pour qu'on puisse faire une situation nette de tout ce qu'on a comme problème foncier et qu'on puisse le prendre en charge pour que vraiment la ville qui est euh, qui pas de problème. Avant de continuer ce forum, écoutons la réaction de Mohamed Salissou, propriétaire de parcelle qui est en litige avec une autre personne qui prétend être aussi propriétaire de la même parcelle. depuis 2018 j'ai trouvé quelqu'un en train de construire dans ma parcelle Directement, je suis allé à la mairie centrale pour déclarer cet état de fait. Nous avons été convoqués pour que chacun amène son acte de session, ce qui fut fait. Après, on m'informe qu'une confusion est à la base du problème au niveau de la mairie. J'ai même diligenté une étude topographique qui a effectivement confirmé qu'il s'agit des biens de ma parcelle. Le service informatique a aussi notifié que c'est le nom de mon acte de session qui y figure. Alors j'ai posé la question de savoir comment faire. J'ai fait plusieurs allers et retours mais jusqu'à présent rien. Pour l'autre détenteur, il y a une surcharge sur son acte avec des ratures et des cachets mentionnant l'année 2012, alors que mon dossier date de 2013. Pour l'heure, je ne sais à quel sens se vouer. Comment se fait-il pour une parcelle de différents actes de cession Je ne saurais vous l'expliquer, mais je reste convaincu qu'un acte de cession original ne doit comporter de surcharge ni de ratures. Donc peut-on dire qu'on t'a confisqué ta parcelle on peut le dire ainsi, d'autant plus que depuis le début de cette affaire jusqu'à présent, et malgré mes allers et retours, rien de précis n'a été fait à mon encontre. Depuis quand cette affaire a débuté ce litige a débuté depuis l'arrivée de Laoli Issa à la tête de la mairie, euh, disons vers 2018. Lui-même a tenté de régler le problème, mais en vain jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions de délégué spécial. La parcelle a été construite, n'est-ce pas oui, la parcelle a été entièrement construite et je dirais la parcelle m'a été retirée injustement. Quel est l'appel à l'endroit des responsables, des intermédiaires et autres personnes qui ont une main mise dans la vente des parcelles Je leur dirais tout simplement d'être juste. Vous ne pouvez pas savoir comment cette personne s'est décarcassée pour payer sa parcelle. Et à la fin, elle perd tout. Même si on réclame justice, rien ne se produit. On peut finalement dire que vous laissez tomber l'affaire Jamais. Je ne pourrais laisser tomber cette affaire. Il s'agit de ma personne. Donc, pour le moment, je cherche juste un moyen de pouvoir m'en sortir. Monsieur, vous venez donc euh, de suivre euh, Mohamed Salissou, un propriétaire de parcelle euh, qui est en litige avec une autre personne parce que cette parcelle a deux actes de cession. Abdelache, vous avez l'habitude de voir euh, une telle affaire Ça, j'en ai tellement vu ces choses-là. c'est de l'irrégularité. Parce qu'on ne peut pas mettre blanc côté un accession originale et remplacer par euh, un autre euh, numéro de parcelle. Parce que j'en ai tellement vu, j'ai renvoyé les gens toujours à la mairie pour qu'il y ait un nouveau accession. Ben, lui, présentement, son problème, il devait aller voir directement le maire euh, pour dire que par comment la, on a blancoté une accession qui est signée par un maire et un autre maire le blancote pour euh, mettre un autre numéro de parcelle pour que ça appartienne à quelqu'un. Maintenant, euh, le, maire va lui, va lui, répondre. Si c'est lui, il va dire que c'est lui, c'est pas lui, il va dire que c'est pas lui. Maintenant, c'est ah, quitte au maire de prendre euh, ses responsabilités. Parce que c'est des actes très graves euh, devant le juge. Euh, ça, c'est du faux complet. Oui, cest dire qu'on ne blancote pas. J'allais tellement vu. Mais il, peut, moi, il, il, peut, perdre sa parcelle comme ça Non, il ne peut pas perdre sa parcelle. Malgré que l'autre a construit déjà Non, mais la, construction, maintenant, c'est au juge de dire ça appartient à qui. Si, c'est avéré que ça appartient à cette personne-là, le juge ordonnera qu'on détruit le, on détruise cet immeuble-là. Euh, au frais aussi de celui qui l'a construit. Donc maintenant, ça dépend de ce que le juge va, devant les pièces qu'on va lui présenter, hein, devant euh, toutes les pièces à présenter, le juge va trancher. ça, il va dire à qui ça appartient. Que faites-vous quand les affaires d'arnaque ou de litige euh, parviennent chez vous Bon, vous savez, le travail de conservateur, on voit du tout. Hein, euh, on voit vraiment du tout. Hein. Tout le problème de la justice, du tribunal, c'est le problème du foncier. Quand vous partez là-bas, il n'y a que ça. Hein. Parce que tellement il y a des problèmes. Euh, par exemple, on avait parlé de, euh, de construction sur le sol d'autrui. Hein. Donc, si par exemple, vous, vous achetez une parcelle, mais par erreur, celui qui vous a vendu vous-même, on vous a monté la parcelle d'un autre. Donc vous construisez là-dessus. Maintenant, chemin faisant, vous voulez faire euh, hypothéquer cela pour avoir des crédits en banque. Donc, on va emmener chez le notaire. Le notaire va faire ses exploits. Il va envoyer chez le conservateur. Le conservateur va vérifier sur le terrain de quoi il s'agit. Mais il va trouver que euh, l'intéressé n'est pas sur, euh, sur sa parcelle. Donc, il ne peut pas y avoir de titre foncier. Donc, il faut qu'on rétablisse d'abord les, les de cession. Donc, l'acte de cession de, sa parcelle, là où il est, euh, un nouveau acte de cession, pour, donc la procédure repart. Donc, euh, maintenant, il revient à la mairie, n'est-ce pas, pour expliquer et qu'on lui fasse un nouveau acte de cession, pas blanc côté, hein, ou bien supprimer Non, non, on fait un, nouveau acte de cession. Donc, c'est avec ça, on registre et on, me le ramène. Maintenant, c'est en, fonction de ça que la procédure va, va continuer. Et pire, que ce qu'on voit, il y a des gens qui vont hypothéquer leur titre foncier, par exemple, dans une banque. Ils vont contourner, n'est-ce pas, pour, qu'on leur fasse une accession sur la même parcelle, comme s'ils ont perdu leur accession, et ils vendent cette parcelle-là. Alors que leur titre foncier, il est dans une banque. Parce que la mairie ne peut pas savoir si la parcelle a un titre foncier, puisqu'il n'y a pas de rapport. Donc, maintenant, le gars va, va faire acte de perte, on va lui faire une accession sur quelque chose qui a un titre foncier, qui est hypothéqué. donc euh, ce genre de problème-là, il y en a en quantité où les tribunaux quand même sont en train de, euh, de se débattre euh, pour régler ce genre de, problème. Là, nous avons écouté Maman Salissou, propriétaire des parcelles, qui est en litige avec une autre personne qui prétend être aussi propriétaire de la même parcelle. bon, la première des choses des ratures, vraiment, il faut voir qui a eu à faire ces ratures-là d'abord. C'est la première des choses que moi je pose la question. Qui a, eu a à faire ces ratures et, le dossier dont il parle, il parle de quel lotissement d'abord Il y a toutes ces choses-là. Moi, je t'ai parlé. il parle du lotissement de 2012, parce que lui, il dit son acte est, daté de 2013 mais celui de son challenge de, avec lequel il a le tige euh, a un dossier de 2012. 2012. Bon, vous savez, euh, je ne sais pas, l'érature, c'est sur quoi C'est sur l'îlot, c'est sur la parcelle, tout ça là, je ne sais pas. Euh, dont il parle. Tu sais. Euh, il dit que vous avez connaissance de son dossier. Moi, j'ai plusieurs dossiers. Est-ce que je peux avoir la mémoire pour garder tout ce, qui se passe devant moi, tous les dossiers qui passent devant moi hein? Ce n'est pas facile. mais je sais que euh, comme je t'ai dit, il y a eu ce tirage au sort là. Hmm? Donc quand on amène un dossier, d'abord, on cherche à vérifier de quel quartier vient ce dossier. Hmm? Et malheureusement, en ce temps-là, avec la précipitation, le maire a fait engager des gens pour remplir les dossiers. Et c'est normal, quelqu'un qui, pour la première fois, on lui dit de remplir un dossier, qui ait des erreurs là-dessus, d'écriture ou quoi que ce soit. Donc quand des gens se présentent devant nous, d'abord, on cherche à savoir d'où proviennent les parcelles. C'est de quel quartier. Et quand on constate, maintenant, on parle à partir de la liste. Les listes sont là. On vérifie les listes. Qu'est-ce qui a été affecté à l'autre Et si on constate la double affectation, donc ce qu'on fait généralement, qui est le premier à verser l'argent Qui est le premier à verser l'argent Donc, on laisse la parcelle au premier. Et l'autre, il attend à ce que la mairie le règle, de toute façon, puisqu'il a déjà versé son argent à la banque. C'est pas au nom de l'OLI qu'il a à la main de l'OLI qu'il a versé. Donc lui, on peut considérer que Mme Salus n'a pas perdu encore sa parcelle. Non, il n'a pas perdu sa parcelle puisqu'il a versé son argent à la banque et non euh, dans les mains de quelqu'un. C'est à la banque qu'il a tous ses reçus. Hein? Donc elle n'a pas perdu, c'est ce que je t'ai dit. Tous ces dossiers sont là. Donc on attend, on a fait une situation exhaustive de tous ces gens-là pour vérifier réellement euh, le constat qu'on a fait, est-ce qu'elle est là Donc maintenant, au moment opportun, vraiment de régler tout le monde pour que les gens euh, soient, rentrent dans leur droit. Monsieur Laoli, quand des affaires de ce genre de litige euh, vous parviennent, euh, qu'est-ce que vous faites et euh, généralement, c'est ce que je t'ai expliqué. Quand ce genre de problèmes nous parviennent, d'abord on se réfère à nos archives. On se réfère à nos archives. Donc c'est les archives qui parlent et non le hein Donc maintenant, quand on reprend nos archives là, c'est en ce temps là qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est en ce temps-là qu'on parle aux gens, voilà, voilà, voilà, on leur explique ce qui s'est passé. Mais l'OLI n'est pas un ordinateur pour garder ce qui Mais seulement, on se réfère à nos archives. C'est nos archives qui parlent et non l'OLI. Ah Merci Abdoulaye Chabou. Abdoulaye Noto, vous êtes acteur de la société civile. Avez-vous l'habitude de recevoir des plaintes des citoyens grugés Bon, vous savez, quand on reçoit ce genre de plaintes, d'abord, euh, on appelle de Manuel pour voir à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire. C'est quand il tarde à régler l'affaire, on envoie les gens au tribunal. On dit allez-y voir le juge, puisque c'est la seule voie de recours. D'abord, on cherche à se créer un arrangement avec la mairie. Si la mairie pouvait corriger, parce que c'est elle qui est agent causal de ce problème. Si elle refuse de le faire, alors là, on oriente la personne euh, vers la justice. Parce que seule la justice pouvait corriger ces genre de choses. Elle peut dire oui ou non, comme ce que vient de vous dire euh, le conservateur, et c'est comme ça. Nous sommes euh, pratiquement à la fin de notre émission. De hum, chers invités, quelles sont les mesures clés qu'il faudra envisager pour prévenir et gérer efficacement les litiges liés aux fonciers Nous avons donné la parole à M. Abdoulaye Chebou, le conservateur régional. Euh, pour régler le problème, la, seule voie euh, offerte par l'État du Niger, c'est les titres fonciers. Donc, vous dites que vous êtes euh, propriétaire, ne vous querellez pas, donnez-nous la preuve. Et la seule preuve, c'est les titres fonciers Que l'État du Niger, le peuple du Niger vous octroie et vous donne à titre définitif. Donc c'est la, seule voie. Le reste là, c'est la voie de conflit. C'est la justice qui va, euh, qui va décider sur pièce de dire que ça appartient à quelqu'un. Monsieur Laoli, quelles sont les mesures hein, clés qu'il faudra envisager pour prévenir et gérer efficacement les litiges liés au foncier selon vous Bon, euh, vous savez, euh, pour régler tout ce problème du foncier, la première des choses, c'est d'informatiser le service. L'informatisation de tout ce qu'on fait. Parce que nous-mêmes, ça nous évite. L'homme, il est humain. Tu ne peux pas tout garder dans la tête. Mais quand le truc est informatisé, de toute façon, dès que tu ramènes la personne là, il te dit automatiquement, non, non, c'est déjà fait. Et ça t'évite des problèmes. Mais sinon, l'homme, il est humain, il n'est pas parfait. C'est ça, la réalité. Il faut informatiser ce service-là. Quand vous prenez ça, là, tout ça, là, <laughs> c'est de moi pour me faciliter le travail. Merci beaucoup. Daneto, qu'est-ce que vous préconisez comme euh, solution pour gérer définitivement et efficacement Il faut que les mairies se ressaisissent parce que tout le problème part à partir des mairies et précisément à faire manuel et encore à la population de se méfier parce que, comme c'est qu'a dit le conservateur, il ne faut pas acheter terrain parce qu'il faut acheter, il faut savoir euh, la situation exacte de ce terrain, si c'est le bon ou le mauvais. Parce que quand tu achètes du mauvais, tu sais que euh, tu vas finir mal. Donc, euh, c'est un souhait. Donc, pour tirer une conclusion, nous disons que la gestion du foncier à Maradi fait face à plusieurs problèmes liés deux fois à l'ignorance euh, des détenteurs des parcelles, mais aussi par la mauvaise foi de certains responsables qui gèrent euh, ce domaine. Chers invités, merci d'avoir accepté euh, notre invitation et je vous dis à bientôt.